Ce n'est pas qu'aux HLM. Je parle sur l'étendue du territoire national. Il c'est le même problème. Tous les jeunes, parce que nous avons une croissance rapide de la population jeune. Très rapide. Ils deviennent dans leur conscience des gens qui ont délaissés. Surtout par la faute de nos parents. Parce que vous êtes ce cœur. Sa dom 22 ans. Vous avez gam fa ku a jabar jabar indi kër gi commencé problème parce que amul des révoltés mais révolté contre qui contre l'État est-ce que c'est ça Révolter pour aller faire de la violence est-ce que c'est ça c'est ça où nous war a sen comportement de la conscience de ce que vous voulez parce que les gens sont prêts à vous accompagner notre mission c'est pas dire que nous pouvons régler tel problème nous avons tel projet ici au Sénégal que mooy définir la vie politique c'est le président de la République parce que nous avons un régime présidentiel Juste nos opposants là qui parlent comme ça di wax di nax nit comme majoritaire à l'Assemblée nationale c'est une cohabitation une cohabitation est facteur de blocage dans un pays nous ñaanul le tey Sénégal ñuy dund li Mali di dund nous, ñuy dund li Guinée di dund wala ñuy dund li gars di dund nous ñaanu nous et cela, c'est la jeunesse. S'il y avait une révolution au Sénégal ou un coup d'État ou des militaires qui prennent le pouvoir, quelles sont les conséquences Vous croyez que les conséquences, c'est sur les politiciens Les conséquences, d'abord, c'est les écoles fermées, c'est des universités fermées, c'est les femmes qui peuvent être agressées n'importe où, n'importe comment. Et ça, les conséquences d'une instabilité dans un pays. Si nous voulons maintenant vivre en paix d'abord dans ce pays, il faut que ce pays soit stable. La stabilité de ce pays passe d'abord par donner une majorité au président de la République pour que nous continuions son projet, sa vision. Cette vision se résume en plusieurs actes. transport dans les jël autoroute rek yegg Ila Touba terre tu es nii ngi ñëw autoroute Dakar Saint-Louis ngi pare écoles hôpitaux Il y en a 8 hôpitaux qui ont été construits entre 2019 et maintenant 8 Il y a tellement d'autopom. Nous te ñun ñu pour Tëngéej am autopont mais Tëngéej aussi y a un problème de disponibilité des terres toujours ñu wax ko tey loo bëgg a tabax l'eau baisse. lu fan nga def fan dëkk bi moo xat dans nos plans d'urbanisme on n'a pas su refaire des réserves pour que tu suñu un hôpital ñu depuis combien de temps 4 ans dans la deuxième phase du PSE 4 milliards ont été prévus 4 milliards et quelques ou une réhabilitation totale ou une rase c'était ça les options ba y décision des ko parce qu'il y a les études de sol il y a énormément de projets un projet il est à l'étude te loolu sont nos problème tay ñun ñangi wax lu nekk fi goor jigen yeex tur yu ñaaw yoyu mais ñun dañu niroo ay goor ji hein déet damay laajte hein donc amna yo xamna du ko duggal ci xelu xale yi sax yàq yàq yàq yàq la quoi bonne il faut pas être méchant dans la vie di tuumal doomu jambour nan dañ fi bëgg créer l'homosexualité c'est quoi cette ces histoires là wala ñu nous ay troisième mandat le troisième mandat nous nous ne sommes pas dans ça nous voulons une stabilité et nous l'avons compris élection locale du baromètre élection locale nous nous sommes la nous avons une solution mais quand il s'agit d'une élection nationale nous avons été toujours ensemble Alunmar était avec nous en 2019, avec toute son équipe, et nous avons fait les meilleurs résultats ici. 2019, ah, mais 2022, élection locale. Je vais vous un exemple. Karim Beng, qui est le Parti Socialiste. Rakam, bi possible. moi, moom moi, maire Je maireu Yaraax xam nga fa la bokk man sama bu bokk ak man premier baay mooy première adjointe Pape Sangal Sangalkam mais nga yaakaar ne suy voté day votel kooku man lay votel c'est ça la vérité donc élection locale de comparaison avec une élection nationale liñ leen di ñaan mooy ñun commune de Rufisque Ouest en tout cas ñun moo ñu concerne. qu'on gagne largement ces élections en gagnant largement ces élections on justifie on justifie que Mar est avec nous. Et c'est important. On justifie que Karim, aujourd'hui, nous sommes retrouvés ensemble. Mais ce serait un désastre. Nous n'avons pas gagné. terrain, le président a gagné. Il gagnera. Parce qu'il est majoritaire. Il a fait des réalisations dans ce pays. nous